Le GIE interprofessionnel de pêche en charge du quai de Ba a fait une descente sur cet espace clôturé en zinc estimé à environ 2 hectares pour se rendre à l'évidence ce qui fait l'objet d'une telle curiosité, c'est un soupçon d'un deal éventuel sur ce site par l'autorité municipale qui, disent-ils, veut donner cet espace à un tiers pour y construire un centre commercial. Un espace qui fait partie, racontent les membres du GIE, aux 7 hectares qui sont déjà attribués au pôle de pêche que le GIE est appelé à gérer et qui a déjà fait l'objet d'une délibération du conseil municipal. Alors question, pourquoi cette clôture sur ce site sans aucune information de la part du maire et de son équipe municipale Les acteurs de la pêche s'en offusquent. On a commencé à dérouler notre programme. Le maire, après beaucoup de discussions, nous avait promis une réserve foncière de 7 hectares qui a été délibérée par le conseil municipal. Mais à notre grande surprise, on est venu faire l'état des lieux. On a vu des travaux sur le, sur le site. Et ces travaux démarrent à partir du littoral jusqu'à la nationale, ce qui nous a inquiétés. On l'a interpellé une fois, mais il nous a donné des, explications qui ne sont pas satisfaites. Et on aurait appris aussi que dans le site, il y a des, des, infrastructures qui ont été programmées, à savoir deux stations d'essence. On a même entendu dire que euh, l'ex-ministre Birima Mangara a été attribué de ces, de ces stations. Bon, ce qui pose vraiment un problème, parce que tout le monde sait qu'un quai de pêche, il a, il, a, il a un espace, il a une assiette foncière et en plus il a une réserve foncière. Comme quoi en cas de, besoin, les acteurs peuvent délibérer librement sur cette assiette foncière, sur cette réserve foncière. Tout le monde sait aussi que euh, tout espace qui se trouve dans le site, dans, la réserve foncière, est du domaine exclusif du GE interprofessionnel. C'est le GE qui doit délibérer, c'est le GE qui doit euh, statuer, et c'est ah, de concert avec, maintenant avec, avec la mairie et le service des pêches. Mais malheureusement, même s'il y a eu attribution, cela n'a pas été fait dans les règles de l'art parce qu'une attribution ne peut pas être faite de manière vraiment singulière, de manière solitaire, sans, concerter, sans se concerter avec, avec les professionnels. Donc c'est ce qui a valu notre déplacement aujourd'hui. Nous interpellons les gens qui ont été en train de bu paree man fekk ma bi mu wax ak ñoom mais soogi fekk nag parce que réunion boobu daf fekk voyager. mais tey jii bu soogi ñëwee dina wax li mu leen tontoo moo tax moo tax ñoom ñu ñëw fii tey. léegi bu dara antuwul lan ngeen nar def pour lii bañ c'est une première pour yëgal nit ñi nekk. waa Bargny yëpp la ñuy woon ak si lii. xamal leen ne am na lu xew loo xamante ne lii bokkuloon ak li ñu diggante woon ak maire bi tey jii gis nañ loo xamante ne bi puisque fii euh, quai de pêche bi dañu waxoon ne bari ngeen lañ koy def place xataay bi moo tax ñun indi ko fii pour mu yaatu tey nag ñu indi loo xam ne day gën a xatal bari day gën a xat ko géej ndax fii oto yi bu ñu ñëwee fii la ñu war a taxaw bu ñu fi taxawee wàcc si côté côté droite bi ak côté suuf bi yëpp day am réserve de terre ndax un infrastructure boo gis si quai de day am réserve boo xamante ne kay moo koy gérer. moo ci am gi moo am accès Le est grave pour eux et le GIE interprofessionnel reste sur ses gardes et avertit les maires. Il n'y aura aucun compromis car la bataille médiatique est enclenchée dans ce face-à-face pour que ces terres ne leur soient pas spoliées. Aujourd'hui, ça c'est une alerte, une simple alerte. Il n'y a que les, représentants des différentes structures qui sont sur place. Mais euh, plus tard, dans le futur, on a programmé beaucoup d'autres actions. Par exemple, on a, on a programmé un point de presse où on va informer tout le monde et tout le monde sera euh, au même niveau d'information. Il faut comprendre que, encore une fois, on a alerté ceux qui, ceux qui étaient en train de travailler sur le site. On leur a dit très clairement d'arrêter les travaux jusqu'à avoir vraiment euh, quelque chose de clair. Oui, on a discuté avec lui. On a discuté avec lui il y a, trois jours. Mais comme je vous ai dit, les réponses qu'il nous a apportées n'ont pas été satisfaisantes. Parce qu'on nous a dit que là, c'est un complet, euh, en fait un centre commercial qui va être érigé ce qui n'est pas d'abord compatible avec les normes de, la pêche. Parce qu'un centre commercial, ça n'a rien à voir avec les activités de la pêche. Et, en plus, c'est dans le domaine public maritime. Parce que normalement, et on nous a dit que, d'accord, si vous voulez de l'espace, demandez au maire qui va vous attribuer. Mais nous, on a dit non, on ne peut pas demander. Mais c'est le maire lui-même. Mais on ne peut pas demander, dans le domaine public maritime, une attribution, une demande d'attribution au maire. Ça, ce n'est pas de son ressort. Donc le maire n'a aucune autorité pour délibérer sur le domaine public maritime. Mais si, enfin, on a dit qu'on a attribué 7 hectares. Mais en tout cas, pour la délibération qui concerne maintenant ce, truc-là, mais beaucoup de conseils municipaux n'étaient pas au courant. Moi, j'ai consulté, concerté, je me suis concerté avec beaucoup de conseils municipaux qui n'étaient pas au courant. Et sur là, là où nous trouvons, il y a des conseils municipaux qui là. Ils peuvent peut-être vous éclairer sur la lanterne. Même les femmes transformatrices de Helcom et les marieuses entrent dans le combat. Ces dernières, face aux agissements redoutés de la municipalité, interpellent toutes les autorités du pays, notamment le ministre de la Pêche, pour arbitrage. parce que ku nekk xam na ne kii bi Bargny Géej la ñëwoon fa nekk mais jooy xataay bu Bargny Géej moo tax ñun dañ ko génn fii ñun toogee tey xëy gis ab clôture ñëpp di laajte naa ndax usine ab glace doon nañu fi joona wax ne am na complexe a def ñëpp toog di xaar ni xalaat ne loolu la mu jigi ñu ab centre commercial bu nga xamante ay légumes yu kenn xamul moom lay jaay tey am na ku ma interpellé ne ma am na luy waxoon nañ fi ne waa marché dañuy toxu donc ba tey est que du si ay ay ay magu man ay jigéen lañu nag waaye fépp fa góor ñi taxaw pour bañ nun dinnu ko bañ la ñu war a bañ bañ a bañ nunu taxaw si ña kanam ñu koy wax toujours ne que dossier bu ñu koy euh, délibéré nang ñuy jox dossier bu ñu téye boo si amul lu la leer nga seet keneen ku la si conseil parce que ñi koy conseil ñoom moo leen ëpp xel parce que dafa am ko ko fi jiitu woon mais mosula nangoo joxe saax-saax yeegi suufi bari ñi mais lan moo xew lan la il faut moom mu arrêter il faut mu arrêter la concerté wu ak nit ñi bàyyi magu ye saal yi xamante moom laa def si population bari parce que nun ko fal donc na xam ne bari ñee ko fal jox bari ñi ab cër tey jii bari Bargny li mu wax jeex na de bari Bargny dara desatu fi fii nag moom lii alert la comme ni ko caan waxee alerte la Bargny gépp dinañ génn ndaxte dañu lii la ñu yaakaar pour mën a taxaw nag liggéey ba képp koo xamante ne meroon nga ci lenn wala métti woon na ci yow ndax buñ ne bari Bargny rek dañ ne Bargny géej kon nag ñu ngi leen di wax ne di woobaa bari Bargny gépp di interpeller encore une fois le ministre de la pêche

À ce que redoute le GIE interprofessionnel de pêche de Bargny, la thèse d'un centre commercial sur ce site n'est qu'une intox, affirme Sinisek, conseiller municipal et président de la commission domaniale. Ce dernier révèle que ce site fait partie, contrairement à ce que pensent les membres du GIE interprofessionnel, du domaine national et non pas du domaine maritime. Citant l'article 80 du Code des collectivités locales, la mairie seule est habilitée à faire des délibérations sur le domaine national à des tiers sur leur demande quand leur projet ficelé a un intérêt général. Sinisec, toujours joint au téléphone, renseigne que les membres du GIE sont mal informés sur cette affaire car le pôle de pêche que la mairie compte ériger et dont fait partie le quai a prévu sur ce site beaucoup d'infrastructures. Mais la gestion n'est pas du ressort du GIE interprofessionnel dont la compétence se limite uniquement au quai de pêche.